des musiciens qui ont chanté le corona. Bon, moi, j'ai dit que je ne chante pas le corona, moi, sur mon Facebook, parce que Doussama Kharif, c'est un ennemi. Bon, blague là, mais nous avons le corona. Mais corona, d'affaire de Mbemounen, de que man amna ay du Sénégal. Moi, le corona, bitok. Parce que ces musiciens-là, nous avons dit que nous avons chanté, nous avons nous avons nous avons mais nous avons nous avons corona. Corona, ni, dem au Sénégal, gars, dit, ben gars yi di ma teeru corona toog bi léegi demul